sais que moi, tu es ma soeur. Ça, c'est tout, tout sait. Tout le monde sait toi, tu es ma soeur. Ça, c'est Donc, euh, ta bouche, si il est vilain, c'est ton domaine qui le parle. Il ne parle mieux. C'est comme Olof dit, c'est mon domaine. Non, c'est pas mon game de Moi, c'est mon game de Je sais, mais ça, c'est Olof. Jaja, il faut que tu te débrouilles dans ta menace. Parce que toi, Jaja, tu es fatigué ta mari. Toi, tu prépares des repas qu'on ne connaît pas. alors que nous, <laughs> notre plat préféré, c'était le déjà tu prépares fouti au fouti pourtant ton mari, il te donne beaucoup d'argent pour la dépense. toi, pourtant tu es belle. Tu tu Vous pas Elle m'a Ça, c'est pas le bon. Moi, je n'ai pas n'importe qui dans mon pays. C'est moi 25 ans chef de je parle, parle, moi, je parle seulement pour t'aider, pour ta menace. Ton mari, il t'a donné beaucoup d'argent, il t'a aidé. Donc toi, il faut que tu te débrouilles dans ta ménage, Dja. Dja, débrouille-toi et arrêtez de préparer les repas. Non, toi, il faut que tu te fermes. Tu la seytaane, tu le dis quoi eh? eh? eh? la seytaane de engagé. La seytaane waay. Eh? Il a dit tout, tout, tout le temps. Yow la moo tax bu leen di conseil doo tëj sa làmmiñ bi. Ah, Mon mari qui le fait, seytaane. C'est ma frère de seytaane, wallaay. Kii yéen a ko bàyyi ci ni mu nekkee. Kii yéen a ko bàyyi ci ni mu nekkee. Non, non, non, maa ngi doo comprendre. non mais kii nit dinañ ko yar. après on va parler dans la famille. amul parler ki day wax nga koy mbéj. non non non non non. tu es parler rien de famille. s'il te plaît tu sais c'est chat, c'est la dernière fille de ma maman. Thiat dégg nga c'est là que on le comprend. et que toi toi moi on je te donne ma carte s'il te plaît. personne ne sait le engager c'est ma frère. personne ne le sait engagé c'est ma frère de le sang wallaay. tu sais pourquoi. mais elle a le seytaane jusqu'à la elle est ma soeur. mais pourquoi je ne dis pas personne il est ma soeur? parce que ton façon de ménage. mais de kenn bëggut a bokk ak moom ni mu mel moom dong moo ko mel ni nga mel yow dong yaa ko mel.